des communes ay communes yu amul dara amul benn ressources. parce que communes, pour nous mun gérer mhm. il faut mu am infrastructure marchande marché alors garage alors da nga budget bi matul mais matul c'est insignifiant mhm. baaxul ça. Mhm. un gouvernement qui a de l'ambition doit au moins le budget là moi je pense que c'est à savoir entre 5 et 10 du budget national parce que le territoire là c'est le territoire qui sert n'est-ce pas de l'action gouvernementale lépp mm-hmm. il faut que l'État dans l'équité de, redistribution des ressources là nous comment prendre les territoires qui ne sont pas trop peuplés mm-hmm. et qui ont besoin n'est-ce pas de l'appui de l'État conséquent même si j'étais à la place du du ministre j'aurais proposé mm-hmm. au président de la République un milliard par commune quelle que soit la taille de la commune, pour mettre des infrastructures marchandes. Mais un milliard, c'est trop. Non, c'est rien du tout. Mhm. C'est rien. Mhm. Aujourd'hui, simplement, si vous regardez des communes par rapport à leur potentialité agricole, mhm. économique, si vous regardez, par exemple, vous prenez une commune comme la commune de Djudibou, notre commune là, qui n'est pas grande, où j'étais maire, faut maintenant, nous, on a de, de l'anacarde, on a de la mangue, on a, on a tout, mais tout pourri, sous, sous, sous, l'arbre. Mhm. Si l'État aujourd'hui regarde... Les ressources ne sont pas exploitées. Mais comment elles peuvent être exploitées Parce qu'il n'y a pas de chaîne de valeur. L'État doit voir les potentialités des communes et aller au-delà même des pôles territoires. Les pôles territoires doivent être subdivisés en territoires économiques viables qui peuvent soutenir d'autres collectivités et créer ce qu'on appelle l'intercommunalité économique. Mais là le définit quoi défensif pour dire que l'État ne peut pas s'engager, Moi je dis que l'État égale engagement. Mhm. amul benn état quand tu cherches le pouvoir tu t'engages. Demain, Sonko ils ont tout le temps dit suñ ma me ñu def lii ñu def engagement quand il quand il prêtait serment. Mhm. il a fait l'engagement. Mhm. je m'engage sur ça et ça. lui-même en tant que ministre. quand il est nommé on lui a donné une feuille de route. à lui de de, dérouler cette feuille de route, mais dans, dans, le, dans, dans le, fait de dérouler ces feuilles de route-là, il a besoin de prendre des engagements. Mhm. Maintenant, des engagements ne veut pas dire qu'on va les faire tout de suite et maintenant. Il ne faut pas qu'ils fasse peur aux acteurs de la décentralisation. Mhm. Par Parce que dire aux gens, vous n'avez pas droit. Ils n'ont pas droit, oui. à mon droit à indemnité. Mais leurs conditions sociales, Ligne c'est faisable mhm. il suffit d'armer les territoires Territoires, collectivités territoriales ils vont prendre en charge ces questions maintenant j'ai compris que quand il dit que les mairies qui ont des fonctionnaires comme secrétaire municipal mhm. et ces secrétaires municipaux ont droit à des indemnités il est prêt à accompagner alors que ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité ils nous ont ils ne connaissent que les collectivités territoriales il va les laisser en rade et à la rigueur il les intimide d'aller travailler mm-hmm. pour moi ce n'est pas cohérent Vas-y. non non non <laughs> non mais des, des, gens qui ne veulent pas travailler depuis il y a cela deux ans oui, mais pourquoi ils ne veulent pas travailler École, école, ou na fi, oubli D'après les informations que j'ai à moi, ont cassé le nango certificat de décès. Non, c'est-à-dire, lui-même il a dit qu'il y avait le service minimum. Il a dit qu'il bougna dafa bëgg ñu baña service minimum mais le service total. Total. Mais service total. Les ces grévistes là, je pense que le ministre il a le rôle d'apaiser. Il vient d'arriver au ministère. Il y a des gens qui ont fait toute leur vie ici. Ils n'ont ils pas fait des études poussées, mais c'est des gens qui ont pratiqué la décentralisation. Il faut qu'ils commencent à les encourager, à les décorer. À il faut qu'ils commencent, qu'ils se sentent dans le métier. Se sentir dans le métier, c'est de trouver une condition sociale qui, si à leurs conditions d'agents, des collectivités territoriales. Il suffit simplement, à travers la direction de la fonction publique locale, d'organiser ces gens-là et de voir sous quelle mesure ces gens-là peuvent être pris en charge sur le plan social.